le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, Kalam. 18h passées de 15 minutes à Niamey. Monsieur Dam, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Au micro, Nefis Adam Sirfo. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Bouza, de Tamaské, de Ménisorwa, de Magaria, de Mayaï, de Birningaure, de Dolbel et de Saï. Aujourd'hui, vendredi 16 juin 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine, dont entre autres thèmes l'annonce par l'OMS de la circulation d'un lot de faux vaccins contre la meningite au Niger, la découverte d'un nouveau groupe de 80 migrants par les autorités du département de Bilma aux alentours du puits d'Espoir à environ 160 km au nord-est d'Agadez. Nous parlerons de la nouvelle grève de 11 jours entamée le mardi 13 juin par la synergie cause Niger-Sinaseb pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs revendications. Le nouveau code électoral du Niger de 204 articles dont le projet de loi a été voté mercredi 14 juin par 135 députés pour 0 contre et 0 abstention sera également débattu dans ce forum. La tenue en Allemagne de la conférence intitulée Partenariat Juvin Afrique investir dans un avenir en commun. Nous reviendrons également dans ce forum sur les fortes précipitations enregistrées dans la nuit du 13 au 14 juin à Niamey, des précipitations qui ont occasionné des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Et enfin du sport avec les préparatifs des éliminatoires de la Cannes 2019 L'équipe nationale, le MENA national, a joué samedi dernier contre l'équipe du Royaume du Swaziland, un match qui s'est soldé par un nul 0 partout. Avec nous ce soir pour développer ces thèmes, Roufaï Dandoua, journaliste indépendant. Roufaï, bonsoir. Bonsoir, Anafissa. Elhaj Suleiman Mamoudou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Elhaj Suleiman. Bonsoir. Et notre troisième invité, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Thank you. Le premier point du forum de la presse de ce vendredi 16 juin 2017 porte sur le communiqué publié le 2 juin dernier par l'OMS qui signale la circulation d'un lot de faux vaccins contre la meningite imitant celui d'un laboratoire bien connu. À cet effet, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idime Nassara, a indiqué avoir pris des dispositions face à cette alerte, notamment en plaçant des inspecteurs dans toutes les pharmacies pour procéder à des vérifications. Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, comme le Niger, disposent chacun de systèmes de veille qui contrôlent la circulation et la qualité des vaccins et médicaments qui y entrent sur le territoire. Je commence par Oufaï Dandoua. Quelle réaction vous suscite à cette annonce de l'OMS Ce qu'on peut dire à ce niveau, ce qu'on a manqué de vigilance euh, au niveau de notre pays, le Niger, puisque comme vous l'avez dit, chaque pays membre de l'OMS doit ou dispose d'un système de veille avant qu'on <coughs> introduise des choses comme un vaccin qu'on doit euh, inoculer à, à des citoyens lorsque cela n'a pas été fait et que ça, ça, ça l'a été après usage, je pense qu'on a manqué de, de, vigilance. Le ministre a voulu prendre les, les taureaux par les cornes, comme on dit, mais j'espère qu'il n'y a pas de dégâts dans ce sens. J'espère que ce vaccin n'a pas beaucoup été utilisé, sinon euh, vous conviendrez bien avec moi que euh, beaucoup de dégâts <coughs> auront été faits avant que cette annonce de l'OMS euh, n'ait été faite. Et bien évidemment aussi, on peut se demander comment au niveau de l'OMS aussi, il n'y a pas eu de garde-fou pour euh, empêcher ou pour euh, essayer de prévenir toute falsification de ce genre de, vaccins, puisque ce sont des vaccins qui sont administrés à une grande partie de la population dans un pays. Je mhm. pense qu'il y a une négligence tant de la part de l'OMS que de la part de, l'État du Niger qui n'a pas su se prendre à temps. Et là, Suleiman, à qui la faute il faut déplorer d'abord euh, le fait, euh, l'acte en tant que tel, justement, mais au-delà de la responsabilité tant au niveau de l'OMS, ou bien au niveau des euh, pays, c'est que vous savez, les trafiquants aussi, c'est justement les marchands au niveau justement des, pharmacies, il y a justement ces officines-là où les gens voudraient par tous les mois se faire de l'argent et il ne manque pas de stratégie pour euh, en tout cas déjouer donc euh, le contrôle est véritablement nuire euh, aux populations. C'est bien, c'est bien regrettable euh, que effectivement les gens puissent, euh, par leur boulimie pour se faire de l'argent, vraiment tenter à la santé de, des populations. C'est bien regrettable. Maintenant, je pense que cela doit interpeller et l'OMS et justement au, niveau des pays justement la, la, vigilance. Donc, de faire attention. Mais au-delà de ce vaccin, le problème est réel au niveau de, de, de, de, ces produits, par exemple, par terre, qui ne passent pas par les pharmacies. de ce qu'on est en train de, consommer aux populations. Et pour ajouter à la polémique ou bien à la panique au niveau des populations, on fait croire, aux, euh, en tout cas aux populations, que ce vaccin-là serait, en tout cas, la, la, la visée, c'était véritablement pour empêcher aux gens de procréer. Vous voyez tout cela, en fait, c'est une, sorte de panique au niveau des populations. Mais je pense qu'à maintenant, après coup, la communication a bien passé, en tout cas, au niveau de la Santé, il faut le reconnaître quand même. Justement, euh, à l'annonce de, de l'OMS, le ministère de la Santé a décidé de prendre des mesures euh, pour euh, venir à bout de ce problème en plaçant des, inspecteurs dans toutes les pharmacies pour procéder à des vérifications. Ousseini Issa, pensez-vous que cela suffit seulement bon ben, Moi, je pense que le mal est déjà fait. À la suite, comme avait dit, de la révélation et de la circulation de ce faux vaccin-là, que <laughs> cette mesure-là a été prise d'aller vérifier et ces vérifications ont permis de découvrir un lot de faux vaccins au niveau d'une officine de la place. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'officine. Ce n'est pas ça le, le, le, plus important. Ce n'est pas aujourd'hui aussi que ça a commencé. Ce pays-là est devenu karma, une espèce de passoire en matière de pénétration de médicaments, de toutes choses, de trafic et tout. Parce que tout simplement, il y a un relâchement total au niveau du contrôle. Il y a des laboratoires, normalement, quand les vaccins, quand les médicaments arrivent, il y a des laboratoires par où le, contrôle qui doit prendre tout ça en charge avant que ces médicaments-là ne puissent aller dans les officines. Malheureusement, et comment la tentation, l'argent facile est là. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde pense que bon, y compris dans le domaine de la santé, on peut laisser faire. Il y a eu des tentatives de lutte contre la pharmacie, les produits appelés couramment pharmacie pactaire. Mais les gens n'ont pas pu en venir à bout. S'il y avait une réelle volonté, on pourrait mettre fin à ça. Pourquoi des individus qui n'ont jamais été faire une formation en pharmacie peuvent se permettre, et c'est des quantités importantes qui font rentrer dans le pays. Ça, c'est des questions, il faut se poser. La santé, on ne doit pas s'amuser avec ça. Les autorités doivent prendre les dispositions qui s'imposent pour sévir. Roufaï Dandoua, euh, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour euh, éviter ces genre de situation Parce qu'on le sait, ce sont de nombreuses vies qui seraient en danger. Je pense qu'il faut de la prévention. Euh, lorsqu'on envoie des, spécialistes pour aller dans des pharmacies et voir ou empêcher qu'on introduise dans ces pharmacies ce, genre de choses, je pense que comme l'a dit Oussé, le mal a été déjà fait. Maintenant, on ne sait pas combien de personnes ont ce problème a touché, moi je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans ce genre de choses. Dans un État qui se respecte, la moindre des choses, c'est que lorsqu'on amène ce genre de choses, lorsqu'on amène des vaccins, même si on vous le donne gratuitement ou si par ailleurs vous l'achetez, il faut s'assurer que ce que vous avez acheté ou ce qu'on vous a donné comme don ou comme aide est de bonne qualité. Mais lorsque vous acceptez tout ce qu'on vous donne, c'est comme si, bon, nous, on s'en fout, on ne se soucie pas de, de la santé de, de la population. L'essentiel est qu'on nous donne et qu'on dise qu'on a, qu'on a eu une acquisition et que, qu'on, sorte à la télé pour montrer, ah, on a eu des vaccins, mais après, on se rend compte que ce vaccin-là, c'est un produit mortel qu'on a donné, euh, qu'on vous a donné et que vous, sans euh, essayer de, de prévenir cela, vous, vous l'injectez sur, euh, comment, comment dire, comment on dit, et sur la population. Le problème s'est passé, et je crois, on, a parlé de ça au Nigeria, on parle de ça ici au Niger, on dit que les vaccins qu'on fait aux, enfants contre, euh, comment ça s'appelle, la poliomyélite, la poliomyélite, c'est pour empêcher aux enfants de procréer. On a aussi parlé de certains médicaments qu'on inocule aux femmes pour les, empêcher. Bref, il y, en a beaucoup de choses, il y a beaucoup de rumeurs qui ont mm. circulé à un moment de l'histoire qu'on aurait pu et prendre les taureaux par le compte bien avant. Maintenant que, euh, c'est venu, euh, on devait s'attendre à cela. Mm. Moi, je pense que c'est bien de mettre des garde-fous maintenant, mais il faut voir tous les lots de vaccins qu'on a, de toutes les maladies. Est-ce qu'ils sont bons ou pas, s'ils ne le sont pas, il faut les détruire. S'ils le sont, il faut essayer de voir d'où ça nous provient, puisqu'aujourd'hui, ils ont tous parlé de médicaments par terre. Quand vous partez dans les marchés, surtout au grand marché, il y a des grossistes qui sont là, qui font rentrer de, ces médicaments par terre et qui sont connus par les autorités, mm. parce qu'ils sont tellement puissants, tellement influents, on ne peut rien leur faire. Aujourd'hui, il y a des médecins qui vont te dire, si tu veux tel médicament, va au grand marché, va à telle boutique du grand marché. Cette boutique n'a jamais été agréée par le ministère de la Santé. Cette boutique n'a jamais eh, été connue par les autorités compétentes, mais on laisse faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui, se trament en dessous. Alors, euh, je reviens vers vous, Elage Suleiman. Comment éviter ce genre de situation euh, Justement, lorsqu'on voudrait faire du euh, commerce des, produits, en tout cas pharmaceutiques, comme les autres produits, Là, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire euh, que je crois que en tant qu'État, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de dispositions euh, de contrôle. On a même un laboratoire de, référence. Je pense qu'il va falloir euh, que vraiment qu'on puisse prévenir. Et pour moi, prévenir, parce que quand même, attenter à la santé des populations, c'est un crime. Par conséquent, aussi pour prévenir, parce que la, la loi a vocation justement, quand elle est appliquée, la punition aussi de prévenir. Donc, ceux qui font de, telles pratiques, en tout cas, lorsqu'ils sont pris, il a dit au Séné qu'il y a en tout cas, une officine qui est bien courue. La sanction doit être exemplaire. Parce que véritablement, euh, lorsqu'on sanctionne de manière exemplaire, les éventuels criminels, en tout cas, prennent des, gants avant de s'engager dans, dans de telles voies. Mais je pense que euh, vraiment, il faut faire euh, attention. Euh, Peut-être l'autre débat, c'est que aussi, euh, avec la pauvreté des gens, c'est aussi, c'est un peu assez délicat. Les produits par terre, aujourd'hui, conviendrez avec moi que le pauvre se à travers justement ce produit par terre. il récemment, avait j'étais en train de faire un traitement d'un palu, en train de dépenser de l'argent euh, une, une semaine. Quelqu'un m'a dit, mais vas-y, achetez du cortem. Euh, euh, voilà. Donc, vous voyez un peu aussi, c'est tout cela qui fait que les gens sont, euh, sont exposés et je pense que vraiment il faut faire attention. Il y a vraiment, comme je l'ai dit en, en amont, ce a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui font beaucoup de trafic, qui pensent que vraiment leur philosophie, c'est faire de l'argent. Mm-hmm. Et pour ça, ils sont prêts vraiment à tout vendre, euh, vraiment, et au prix de la, de, de, de la vie même des populations. Et c'est vraiment regrettable. Je pense qu'en tout cas, pour être bref, c'est qu'il va falloir, en tout cas, à tous les niveaux, qu'on s'assume vraiment. Et pour le cas d'espèce, vraiment, je que c'est identifié la sanction doit être vraiment exemplaire. Mm-hmm. C'est en tout cas la voie pour moi pour prévenir un peu ce, alors, ce qu'on peut retenir de cette question, vigilance pour éviter ce genre de situation. Cette semaine également a été marquée par la question migratoire dans le nord du pays. Un groupe de 80 migrants composés d'hommes, de femmes et d'enfants a été localisé et sauvé par les autorités du département de Bilma aux alentours du puits d'Espoir à environ 160 km au nord-est d'Agadez. Selon le préfet de Bilma, joint au téléphone par le studio Kalangu, ces migrants issus de plusieurs nationalités, majoritairement des Ouest-Africains, ont été abandonnés par leur passeur après avoir été bastonnés. Ils ont été acheminés au centre OIM de Dirkou. Ousseini Issa, vous êtes un journaliste indépendant. Selon vous, euh, qu'est-ce qui explique cette euh, recrudescence euh, de la question migratoire dans la zone nord d'Agadez Bon, ben, c'est pas dans la zone nord, ces gens, ils viennent d'ailleurs. Mais c'est le point de passage. Quand ils quittent, ils viennent des pays, en, fait, subsahariens. Et généralement, c'est des nationalités diverses, des Nigériens, des Ghanéens, des, Congolais. Vous trouvez du tout, hein mais qu'est-ce qui explique ce phénomène C'est pas compliqué, c'est la pauvreté et le manque de perspective dans les pays. Voilà tout le problème. Personne n'a envie de quitter chez lui. Mais quand à domicile, on n'a aucune perspective. Même quand on a une formation, on n'a pas de perspective d'emploi. On n'a pas de perspective de pouvoir mettre en place ne serait-ce qu'une source de revenus. Mais on est tenté d'aller voir ailleurs. C'est ça qui pousse les gens, ces jeunes-là. C'est pas autre chose. En quittant chez eux, ils savent que c'est le danger qu'ils vont affronter. Mhm. Mais malgré tout, ils sont déterminés à aller parce qu'ils se disent que peut-être qu'en arrivant là-bas, ils vont trouver un peu de ressources et revenir au pays. Voilà ce qui motive. Mhm. Et quelles que soient par ailleurs les mesures qui vont être prises là, s'il n'y a pas un véritable combat contre la pauvreté dans nos pays, la pauvreté notamment des jeunes, qui sont là, qui sont dans des, grandes écoles, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas de perspective, qui on ne leur donne pas de l'emploi localement, mhm. et, comme on avait dit, on ne leur donne pas des ressources pour pouvoir monter des petites sociétés, des entreprises, ils vont continuer à s'en aller, quelles que soient par les mesures. Mhm. Et les passeurs, aujourd'hui, des dispositions ont été prises, une nouvelle loi a été prise, qui est beaucoup plus répressive qui est répressive, non seulement sur le plan des amendes, mais également sur le plan des peines d'emprisonnement. Mais malgré tout, vous voyez, ça, n'arrête pas. Ça n'arrête pas parce qu'ils ont pris goût à l'activité. Les passeurs, les, chauffeurs, tout ça. C'est beaucoup d'argent qu'ils amassent. une seule traversée, la personne peut se retrouver avec, avec des millions. Quelle est l'activité En tout cas, euh, ce genre de transport, si tu le fais entre des villes, c'est pas évident. Alors, euh, Rufaï Dandoua, êtes-vous d'avis <laughs> Bien sûr, je crois qu'il y a deux ou trois semaines, on a parlé de ça ici quand on avait trouvé euh, un groupe de, oui, de, de les 34 qui, qui, qui, était décédé dans le désert. Et lorsque tu, tu te rends compte que même si tu restes, tu restes chez toi, il n'y a aucune perspective, euh, il n'y a aucune lueur d'espoir qui pointe à l'horizon, tu te dis, bon, écoute, on va tenter l'aventure, c'est à quitte ou double. Soit tu te fais prendre, ou la soif ou la faim eh, finissent avec toi, ou bien par chance, elle est infime, je suis d'accord, tu passes et tu atteins peut-être l'autre rive. Et là, peut-être quand tu pars, tu, tu, tu, pourras aider ta famille. Mais dans tous les cas, moi je pense que si on veut attaquer ce, ce, mal, il faut l'attaquer à la racine, comme on le dit. Mhm. D'abord, il faut éradiquer la pauvreté. Même si on ne peut pas éradiquer la pauvreté, il faut prendre des mesures nécessaires. Pas des pas des mesures pas faire juste de la communication pour pleurer à X ou à Y, puisque j'ai l'impression que c'est ça, c'est ça qu'on est en train de faire. J'ai vu des panneaux de la ville de Niamey qui disent ah si on attrape un passeur, euh, c'est un million ou combien d'amendes. Arrêtez, il faut qu'on arrête tout cela. Aujourd'hui, ces gens-là qui viennent pour la plupart du Nigeria ou du Ghana ou des pays voisins, on sait pas où ils passent. Quand vous partez dans toutes les gares de Niamey, partez par exemple à Rimbo pour ne pas citer de nom, vous allez voir ces gens Dès que vous les vous savez que ce ne sont pas des Nigériens. Dès que vous les voyez, vous voyez leur morphologie, vous, vous comprenez que ce ne sont pas des Nigériens. Mhm. Maintenant, le problème, c'est quoi On les laisse faire, ils viennent, ils s'enregistrent, parce que c ce n'est pas informel. Tu t'enregistres, tu prends ton billet et tu passes. Et je crois comprendre que le papier d'enregistrement là, les autorités ont, conscience de, de, cela. Les cahiers d'enregistrement le voient. Normalement, je pense que ça, ça, se passe comme ça. Mhm. Si le voit et qu'il laisse faire. Maintenant, on fait de la mauvaise publicité pour le Niger, mais peut-être qu'on veut cela pour que eh, les, bailleurs de fonds viennent apporter de l'argent au Niger pour pouvoir lutter contre eh, ce, fléau, puisque ça n'est un. Mais dans tous les cas, même si on le fait, même si on a cet argent, on fait de la mauvaise publicité pour le Niger parce que le Niger aujourd'hui est devenu eh, le passage incontournable. Et au-delà de ça, c'est devenu un passoire pour, pour, pour, les migrants parce que tout le monde s'est dit, bon, écoutez, on va au Niger, on peut passer. Moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut prendre des mesures vraiment très eh, draconiennes pour éradiquer le mal par la, eh, à la racine. C'est quoi C'est d'abord eh, prévenir la pauvreté mhm. ou trouver une solution et aussi empêcher à ces, ces, gens qui viennent des pays d'Afrique de l'Ouest de passer par le Niger. Oui, justement, cette euh, situation des migrants dans le Sahara nigérien ces derniers temps euh, est suivie attentivement par l'Organisation internationale pour la migration OIM. Depuis avril 2016 à aujourd'hui, plusieurs centaines de migrants ont été sauvés par l'OIM et les autorités nigériennes. Et là, Suleiman, quelle analyse faites-vous euh, des actions menées par bon nombre d'ONG dans la zone d'Agadez pour lutter contre ce fléau? Bon, au-delà membre de ces ONG et l'OIM, c'est devenu un débat mondial euh, à partir du moment où nos pays africains et les occidentaux sont en train véritablement de voir, de réfléchir. Hein. J'ai bien aimé récemment dans ces rencontres-là, que ce soit au G20, que ce soit au niveau du G7, euh, que le débat, en tout cas, en des, des présidents occidentaux qui disent que véritablement, ils sont conscients que c'est la pauvreté qui, qui, qui, amène les gens, qui veut les envahir Par conséquent, il faut contribuer pour donc euh, <laughs> régler la question en, amont. Mais je voudrais dire euh, tout à l'heure par rapport à un aspect que Rofa était en train de développer, c'est qu'il y a une contradiction. La CDAO nous en fait obligation aux, citoyens de circuler librement. Mm-hmm. Donc vous voyez aussi, euh, lorsque les gens les Ivoiriens, les, les, les, les Burkinabés viennent au Niger, normalement, on ne doit pas s'en prendre à eux. Vous voyez un peu cette euh, contradiction, en tout cas, qui fait qu'on va les laisser circuler. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, on sait l'option du pouvoir, véritablement, c'est effectivement d'agir euh, dans le sens d'empêcher aux jeunes de, de, partir en Europe. Et vous savez, les raisons qui amènent euh, les gens véritablement à, à partir, il y a d'abord effectivement la question essentielle de la, la pauvreté générale que, tout le monde vit, mm-hmm. mais aussi des illusions. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui ont vu leurs amis, leurs frères aller en, en, en Occident qui ont réussi, cela leur fait rêver. Mm-hmm. Mais euh, à l'épreuve de fait, ceux qui sont allés là-bas, euh, je sais moi de quoi je parle, quand tu vas voir là-bas des gens qui sont vraiment diplômés, tu vas voir les boulots qu'ils sont en train de faire, c'est une vie de misère. Ceux qui ont un petit boulot dans ce, en tout cas à leur place, qu'ils essaient de développer. On a vu, par exemple, des gens qui ont des situations euh, de vraiment de commerce florissant, qui les bradent pour aller en Occident mener une vie de misère. Mm. On a un, euh, un, un cas flagrant aux États-Unis, quelqu'un qui a vendu villa et tous ses biens, qui se retrouvait à train de, de, de, de faire car wash, mm. donc laver les voitures au niveau des stations d'essence. Mm. Donc euh, vraiment, je pense que la communication, c'est important de, vraiment de sensibiliser les gens. Mais encore une fois, la question de la pauvreté, c'est le vrai débat. Et je pense que euh, maintenant, quitte à nos pays de savoir justement défendre véritablement nos intérêts, mais c'est que le problème est mondial, donc la question, la solution doit être effectivement mondiale. Mais les actions des ONG, c'est un peu du sapoutrage en réalité, c'est un peu. Euh, le vrai débat, c'est qu'il faut créer les conditions de possibilité pour que les gens puissent, euh, en tout cas localement, euh, rester se, réaliser. Mhm. Moi, je dis encore une fois, en tout cas aux jeunes africains, en tout cas que, vraiment, lorsque les conditions sont créées, lorsque effectivement, l'a dit, lorsque effectivement tu es diplômé, tu penses que tu, n'as pas, tu n'as aucune perspective pour te, pour réaliser, tu as envie effectivement d'aller, d'aller voir ailleurs. Mais encore une fois, moi je le dis que, en tout cas, à l'intention de mes jeunes frères, en tout cas qui m'écoutent, ce que ce n'est pas avant de partir. Parce que dans tous les cas, même aujourd'hui en Occident, ceux qui partent, ils, parlent de, depuis Sarkozy de migration choisie. Enfin, c'est ce que certains vont leur à apporter. Mm-hmm. ce Ceux qui peuvent euh, qui sont, qui sont diplômés, qui peuvent venir travailler euh, sans tenir compte que quand tu viens, tu, tu, n'es pas légal, donc tu n'as pas de papiers pour séjourner. Tu vas vivre une vie vraiment euh, très très misérable. Mmh. Ce que les gens oublient, ah, tu perds tout, tu, tu, tu, n'es même pas citoyen en fait. En réalité, le, tes droits les, le, les plus élémentaires, euh, en fait, tu es dans une situation d'exil. Merci. bien. Et ça, mm. vraiment, je pense. Lorsque vous voyez une famille, mm-hmm. un père et une, une, mère qui prennent leur enfant d'un an mm-hmm. pour essayer de traverser le désert du Sahara, sachant tout le mal tout le problème qu'il y a, le manque d'eau, le manque de, de, ceci, le manque de cela, et vous, vous dites que vous pouvez mourir, vous entraînez vos enfants dans la mort qui peut être certaine, je pense qu'il y a une question de responsabilité qui se pose. Mhm. Et cela aussi, il faut, faut voir comment on va jouer pour cela. Parce que quand on voit un enfant d'un an qui meurt dans le désert, vraiment, c'est... Euh, nous abordons euh, une autre question euh, importante à part la migration qui a également été au cœur de l'actualité cette semaine. C'est la question de l'éducation. En effet, comme il l'a annoncé, les enseignants membres de la synergie cause Niger-Sinaseb ont entamé depuis le mardi 13 juin 2020 une grève de 11 jours pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs revendications. Les responsables de ces structures ont organisé des assemblées générales sectorielles dans des écoles pour mobiliser la base et ce, malgré l'interdiction de telles activités sur instruction du ministre de l'enseignement primaire. Alors, Ousseini Issa, comment percevez-vous cette euh, manière des enseignants de mener la lutte On peut carrément considérer qu'il n'y a pas eu l'école. Au moins, on est en train de vouloir faire du bricolage. Et de la rentrée en octobre, d'octobre à aujourd'hui, pratiquement, si on fait le cumul du nombre de jours de cours, ça ne peut pas dépasser 4 à 5 mois. Et l'année scolaire s'étale normalement. Une bonne année scolaire, c'est 9 mois. Malheureusement, avec les grèves des enseignants, les grèves récurrentes, les grèves parlées des enseignants, on s'était retrouvé dans une situation jusqu'en décembre. À ce moment, toutes les, comment dire, les organisations syndicales étaient ensemble, ils ont pu négocier, comment vais-je dire, une plateforme, un accord, ils ont, pu obtenir un accord, mais malheureusement, l'accord n'a pas pu être mis en œuvre. Ensuite, il y a eu le clash, il y a eu le FUSEN. Le gouvernement a appelé pour négocier le même protocole d'accord avec FUSEN, qui a déjà signé le protocole d'accord initial de décembre. Mm. Voilà tout le problème. Et les autres, ils disent non, parce que voilà les échéances à partir de, telle date, l'État a promis de faire ça, l'État a promis de faire ça. Moi, je dis dans tous les cas, c'est pas en soi, les grèves au niveau de l'école, c'est une mauvaise chose, c'est sûr. C'est sûr, parce que ça met le pays en retard. Mhm. C'est sûr. Mais de l'autre côté, quand le gouvernement, sa responsabilité, quand vous vous engagez, quand vous vous engagez, donnez-vous les moyens de pouvoir tenir les engagements. Vous n'allez pas prendre des engagements avec des partenaires et par la suite, vous ne faites pas l'effort de pouvoir concrétiser cet engagement. Vous allez créer une situation euh, déplorable au niveau du secteur, du donné, notamment ici, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ils sont allés en grève, ils ont pratiquement observé des grèves on s'achemine parce que je crois que c'est un juillet qui aura les examens de fin d'année. Mm, Maintenant, comment ça va se faire Sur quelle base ça va être évalué Parce que dans tous les cas, de l'autre côté, ceux qui sont dans le privé, eux, ils ont étudié normalement. Maintenant, les chances sont du côté, en tout cas, de ceux-là qui ont pu suivre une année scolaire normale, bien entendu. Roufaï, selon vous, pourquoi le gouvernement tarde à respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants Pour commencer sur là où c'est a fini, je mm-hmm. pense que <laughs> Euh, cette question s'est posée, je crois, en 92. Nous, on avait fait une année blanche, euh, mm-hmm. on était au collège. Pourtant, le privé avait fait, avait fait cours. Mais il y mm-hmm. avait eu année blanche. Et ils ont perdu. <laughs> Donc euh, ça, ça, les a concernés aussi. Et ils sont dans un État qui obéit à des règles, qui obéit à des, à des lois. Et lorsque une décision est prise, elle est prise à l'unanimité. Mais le problème, moi, la question que je me pose, à qui profite toutes ces, grèves aux enseignants ou à l'État du Niger. On a comme l'impression que eh, dès le début de l'année, les deux parties ont voulu entamer un bras de fer, chacun avec son orgueil, chacun avec son. et eh, voulant montrer son pouvoir. Et du côté des, enseignants qui peut-être ont fait quelques concessions qui ne sont pas suffisantes, et du mm-hmm. côté du gouvernement qui l'ont aussi fait, mais eh, dans tous les cas, aujourd'hui, quand on parle, euh, on, va dire que c'est l'enfant du pauvre ou les enfants du pauvre qui en pâtissent, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'État. Lorsque le système éducatif d'un pays ou lorsque le système sanitaire d'un pays est dégradé, c'est ça qui fait qu'on est dernier à l'indice de développement humain. Ce n'est rien d'autre que cela. On n'a pas, on n'a pas, on a une mauvaise qualité euh, sur le plan sanitaire, on a une mauvaise éducation. Euh, les, autres aspects aussi de la vie sociale sont euh, par terre, c'est mm-hmm. normal qu'on soit dernier. Mm-hmm. Moi, lorsque et ce genre de, de classement sort, je me dis c'est normal parce qu'on l'a voulu quelque part. Regardez, à chaque fois quand le, quand syndicat d'enseignants hein, sort pour faire une déclaration, vous regardez, comment il parle avec arrogance pour montrer que c'est nous, si on ne veut pas, il n'y aura pas si. Quand le ministre sort aussi, vous voyez son rire moqueur des fois aussi. Euh, la manière avec laquelle il parle, c'est eux, l'État, dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, l'année sera validée parce que c'est que tous les ministres disent, malgré le fait que tout le monde sait que cette année, il n'y a pas eu de col. Pratiquement, il n'y a pas eu de col. Mm. Aujourd'hui, c'est la base de quoi on va évaluer ces enfants. C'est là une autre, question. Et même si on les évalue, on peut donner un quota pour dire, bon, il faut atteindre tel quota, il faut eh, permettre aux enfants qui, qui, s'approchent de la moyenne de passer. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'on aura raté la base et les enfants qui vont... Eh, le produit fini de cette génération va être un produit pas bien, et c'est regrettable. Merci Roufaï. Et là, Suleiman, rapidement, que faire pour débloquer cette situation Véritablement, après avoir pendant toute cette année observé la situation, on ne peut que appeler à la responsabilité des uns et des autres. Moi, de mon point de vue, je pense que à un certain moment de négociation, euh, à la primature, lorsque vraiment le premier ministre est sorti dire aux gens, voilà, en réalité, euh, les limites de nos moyens, voilà ce qu'il faut faire, euh, ils c'était vraiment à, côté de signer la colle, ça n'a pas eu lieu. C'était vraiment gênant il faudrait que vraiment de tous les côtés, parce que c'est à deux qu'on casse vraiment euh, la calebasse. Moi, je pense que de mon point de vue, n'oublions pas qu'on on, revient de loin. Il y a des moments où vraiment on ne pouvait même pas garantir le salaire. Euh, on a dépassé cette étape-là. Je suis en train de dire qu'il va falloir vraiment que qu'on puisse vraiment un peu mettre de l'eau dans son dans son lait. cest que autant euh, le gouvernement a failli justement dans le cadre de ses engagements, mais lorsqu'il dit qu'effectivement euh, c'est un problème de moyens et nous sommes conscients vraiment de la tension de trésorerie euh, générale qui, est là, mhm. euh, qui ne peut pas du tout à rien, en tout cas, disculper le pouvoir de le gouvernement. Mais je pense que franchement, dans la situation, en tout cas, le fiasco actuel, en tout cas au niveau des négociations, il faudrait autant le pouvoir à sa part de responsabilité, autant vraiment les syndicats n'ont pas fait montre vraiment de, sens de consensus, en tout cas, pour sauver l'intérêt général est l'école vraiment. la suite de ce forum, le Niger a un nouveau code électoral de 204 articles. Le projet de loi a été voté le mercredi 14 juin par 135 députés pour, 0 contre et 0 abstention. L'opposition n'a pas pris part au vote, cependant certains points ont suscité des débats houleux. C'est le cas de l'article 12 qui limite le nombre des membres de la CENI à 13, dont 3 de la majorité et 3 de l'opposition. Hussein Issa, vous avez suivi avec intérêt cette question. Qu'est-ce que cela vous suscite comme réaction Je suis formel, c'est une position tranchée chez moi. Et je pense que les textes là, les textes qui sont là, la, Constitution et le Code électoral, plus d'autres, chapitres le pacte républicain. dont on ne s'est pas servi de ça. Plus euh, des ordonnances, notamment de classification des emplois, au, comme on avait dit, au niveau de l'administration publique. Mhm. C'est des documents qui ont été mis de côté. Moi, je pense il y a eu un consensus autour de ces textes-là. Il n'y a pas de texte parfait. C'est aux hommes de chercher à s'adapter. Moi, c'est ça ma conception, c'est pas ma philosophie. Mm. On a commencé la démocratie avec les Béninois, ou du moins on est revenu sur le, comment dire, euh, euh, dans, l'arène démocratique avec les Béninois à partir de 91. Mm-hmm. À cette date encore, c'est la même constitution au niveau du Bénin, c'est la même constitution qui est en vigueur. Mm. La dernière fois qu'il y a eu tentative de vouloir eh, modifier un article ou deux, ça n'a pas pu passer. Les députés ont dit non. Mais pourquoi nous, nous voulons Parce que moi, j'ai dit tout le problème, c'est au niveau de la classe politique. C'est au niveau de la classe politique qui veut que on accommode les textes, les articles à leur désidérata. Ce n'est pas à eux d'écrire les conditions pour s'adapter. Et tant qu'on va rester dans cette logique-là, on a commencé les modifications. On ne sait pas demain, la prochaine fois, quels vont être les textes, qui, les, les qui vont être sujets à, modification. Mhm. Et là, on va se trouver avec une constitution totalement dénaturée. Et il ne faut pas perdre de vue une chose aussi, c'est que la constitution n'engage pas que les politiciens. Ça engage tous les citoyens. Mhm. Il ne faut pas que les politiciens pensent que la constitution, c'est leur affaire que les citoyens n'ont rien à voir. Parce que moi, j'ai été voter la Constitution lorsque c'était sorti du Conseil consultatif national, un mm. référendum. Je reviendrai vers vous. Alors, Roufaï, pensez-vous qu'il y avait nécessité pour le gouvernement de réviser le code électoral Quelles sont les motivations du gouvernement à procéder à cette révision Nécessité, oui, pour le gouvernement qui a soumis le texte parce qu'il a jugé nécessaire de le faire. Maintenant, pour euh, l'intérêt général, est-ce qu'il est nécessaire C'est la question qu'il faut euh, se poser. Vous savez, et moi je pense que la démocratie nécessite un certain nombre de, de, à bas. Au-delà de l'éducation qu'il faut avoir, l'éducation civique, l'éducation citoyenne, je pense qu'il faut un peu pour mature pour avoir une bonne démocratie. Et mm. je pense sincèrement, sans faire offense à personne, on n'a pas ce peuple mature, tant à l'Assemblée nationale que aussi nous, à notre niveau, nous citoyens. On préfère juste critiquer de rire, par exemple, nos claviers, dans nos fadas, mais on ne peut pas agir. Récemment, je ne sais pas c'est dans quel pays, j'ai oublié, où il y, a, des dispositions de ce genre qui ont, euh, été apportées à, l'Assemblée nationale pour mhm. modification. Le peuple Ils disent non, ils ne vont pas accepter. Parce que s'ils acceptent ça, ils ne savent pas encore ce mhm. que, là, euh, ce que les autorités vont amener. Hussein a parlé du Bénin. Récemment, le président béninois a voulu apporter des modifications, les députés, y compris de son camp, certains ont refusé. Mm. Vous voyez, c'est ça la maturité dont je parle. Aujourd'hui, vous avez dit, ça a été voté à 135 voix pour 0 abstention, 0 contre. 135 mm. voix, ça veut dire quoi Ça veut dire le nombre de députés de la majorité. Or, aujourd'hui, on a affaire à une euh, assemblée qui est juste une caisse de, résonance, une caisse d'enregistrement. Mm. On vous amène tout, vous acceptez. Personne ne peut dire et, non lorsque c'est une voix qui, vient de, de la majorité parce que si tu essaies toi, député, allié ou du parti présidentiel, lorsque tu essaies de montrer que tu ne veux pas, on va te mettre dans une chambre pour te tirer les oreilles. Alors qu'on dit tout mandat impératif est le député et le représentant de la nation, il ne représente pas son parti politique quand elle entre dans l'Assemblée nationale. Hélène Souleymane, et vous, quelle est votre analyse j'ai suivi ce débat. À un moment, c'était très alarmant. On avait tendance à dire aux Nigériens que, en réalité, ce professeur Tazar Tchemé, à la vérité, à l'épreuve de fait, n'est pas question. Mhm. Et ce n'est pas du tout vraiment de cela qu'il s'agit. Il y a véritablement des préoccupations qui ont été soulevées après les élections passées. Mhm. Il fallait donc prévenir le conflit. Et ce débat-là a été, euh, dans tous les sens en tout cas, euh, les partenaires, euh, les gens étaient d'accord que véritablement, il y a des aspects qu'il faut corriger au niveau de nos, notre loi électorale, en tout cas au niveau du code électoral. Mhm. C'est ce qui a été fait avec même des choses, franchement, quand je vois, par exemple, désormais, la CENI va être euh, permanente, il y a plein de choses positives qu'il faut aussi valoriser, qu'il faut vraiment ne pas dépendre vraiment en noir dans, dans, dans le mhm. pays. Il n'y a pas que tout est négatif, il y a cette, en tout cas, ces corrections-là des choses qui sont vraiment positives, qui sont censées en tout cas prévenir des conflits électoraux. Mm-hmm. ça Ça, c'est un aspect. Mm-hmm. Mais vraiment, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, dans ce débat-là, euh, les textes, en tout cas, les articles qui étaient censés véritablement autoriser à aller dans la voie d'un désert ou bien en tout cas des, des, abus, il n'est vraiment pas question, euh, en tout cas, alors qu'elle est mm-hmm. Maintenant, effectivement, on l'a dit, par exemple, pour le cas béninois, ça, c'est autre chose. Le président voudrait effectivement à, son, mandat. Mm -hmm. Mais je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut déplorer, c'est le fait véritablement que le CNDP, qui était censé vraiment en amont euh, garantir ce consensus, n'a pas vraiment fonctionné. Et c'est bien vraiment dommage euh, qu'on n'a pas pu vraiment, au niveau de la crise politique, euh, s'entendre. Merci à vous. on aborde une autre question. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Dans la nuit du 13 au 14, de fortes précipitations ont été enregistrées dans la région de Niamey, cette grande pluie a occasionné plusieurs dégâts, notamment au marché Djamadji, où plusieurs hangars ont été engloutis. Les produits de plusieurs commerçants emportés par les eaux de ruissellement, il y a eu surtout plus d'une dizaine de morts suite à l'effondrement des maisons. Alors, Hussein Nissa, qu'est-ce qui explique cette situation selon vous ah, Ce qui explique cette situation, c'est que tout simplement, l'argent <laughs> de Niamey, Niala, là, les gens sont en train certainement de détourner. C'est pour ironiser quelque part ce qui explique la situation, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'assainissement au niveau de la ville. Quand vous prenez un peu les caniveaux, il y en a très peu de caniveaux d'ailleurs, ça ne draine plus les eaux de ruissellement. Et ce qui a aggravé la situation, c'est que quand on a cassé les boutiques, la démolition de boutiques, c'est dans les quartiers que les gens ont déversé. Il n'y a pas un travail de suivi. Depuis des années et des années, les saisons viennent. À l'époque, à l'époque, je me rappelle sous Kunti, quand la saison de pluie approche, il y a les niveleuses là qui rentrent dans les quartiers pour faire les passages des eaux. C'est-à-dire, quand on constate qu'il y a un quartier où qui retient de l'eau, on crée les conditions pour que, avant le, démarrage de l'hivernage, il y ait une solution. En tout cas, même si c'est une solution provisoire, l'eau ne va pas s'arrêter. Ce qui a provoqué les inondations, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'écoulement. Il n'y a pas eu de voie d'écoulement. Mm. Les voies d'écoulement ont été, eh, comment vais-je dire, obstruées. les maisons sont remplies d'eau. Mm-hmm. Euh, inévitablement, quand vous prenez des maisons précaires en banco, Mhm. Quand ça prend suffisamment d'eau, ça va s'effondrer. Et mhm. c'est des maisons qui ont souvent 40, 50 ans. Justement, mhm. des établissements publics également ont été touchés par cette inondation, notamment la télévision nationale qui a dû suspendre euh, sa diffusion. Alors, Roufaï, qu'est-ce que cette euh, question vous suscite comme réaction Excusez-moi de le dire, mais je pense qu'à quelque chose, malheur est bon. il faut le dire. Quand, par exemple, les gens de Jemagé ont perdu tous leurs biens, ont perdu les volailles, ont perdu des, des condiments. Je pense que Dieu ne dort pas. Il faut que les gens aussi, dans ce genre de situation, tirent les leçons ou essayer de voir au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est réel. Mhm. Lorsque vous voyez tout cela qui part en, en, pas en fumée, en l'eau, mhm. si on peut le dire, <laughs> excusez-moi de l'expression, tout d'un coup, alors que vous, vous avez euh, pris tout cela là pour euh, gruger le peuple, pour gruger le citoyen, pendant le, mois de, Ramadan, je pense que Dieu n'a rien fait au hasard. Bien sûr, bien sûr qu'il faut déplorer les, pertes en vies humaines, mhm. mais je pense qu'au-delà de tout ce que je viens de dire, au-delà de tous ces aspects, et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens ont compris. Euh, il y a une fatalité qui est là. Ils ont compris que cela allait arriver. En 2012 ou 2013, je crois, il y avait eu ce même problème où il y mm. avait eu presque tous les quartiers du Niamey qui étaient, qui étaient dans l'eau. De, cette date à aujourd'hui, ça veut dire que rien n'a été fait. Vous savez, on dit que le passage de l'eau, même si c'est dans 5 ans, ça va revenir. Mm. <laughs> Et là, Suleiman, le constat est réel le eh, Niamey manque, eh, fait face à un réel problème d'assainissement. Alors, qu'est-ce qui doit être fait de l'immédiat pour y remédier Il faut d'abord déplorer que la pluie a été quand même aussi forte, hein, <laughs> parce une première pluie grande, en tout cas, qui est plus de 100, 130, tout à fait. Donc ça, c'est un aspect, et les conséquences, véritablement, donc le cadre... Le cadre ce qu'il veut. <laughs> Absolument, ce qu'il veut, tu, tu, l'as dit, le faire. Donc, euh, et il faut le reconnaître aussi, il y avait chacun, cette course-là, justement, à avoir sa case à soi. Les gens, de manière anarchique, ont construit n'importe comment, même sur des lits du, fleuve. <laughs> Donc, chaque qui que, véritablement, euh, euh, le cadre n'était pas vraiment prêt. Donc, euh, effectivement, toute l'année, ce débat-là, qui consiste à dire que, le, en fait, euh, la salubrité au niveau de la ville, tout choses là, en tout cas, ça qui nous a rattrapé, on a vu véritablement que c'est le semblant d'effort qu'on était en train n'était pas vraiment suffisant. Mhm. Et il a vraiment interpellé donc euh, euh, euh, en, tout cas les autorités donc communales. Vraiment, mhm. il va falloir prendre, comme on dit, le euh, prendre le corps vraiment s'assumer pour vraiment permettre, en tout cas, d'éviter mhm. cela. Parce que j'avoue que quand vous voyez certaines situations, ce qu'on a vécu, en tout cas, si cette année véritablement telle que, en tout cas, la météo annonce, euh, franchement, de euh, Dieu seul sait euh, vraiment, on ne le souhaite pas vraiment. Il va falloir vraiment qu'on prenne vraiment des mesures. partout, on fait du bricolage et du saupoudrage. Donc, on va, on, va avoir tout cela. Alors, euh, nous bouclons ce forum avec la page sport rapidement. La, première journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2019 a débuté samedi dernier. À cet effet, le MENA national a joué à domicile contre le Swaziland, un match qui s'est soldé par un nul à 0-0. Je commence par vous, Roufaï, qui est un expert dans ce domaine. Plus Plusieurs acteurs intervenant dans le, euh, dans le sport estiment que le Niger vient de perdre une belle chance de se qualifier. Êtes-vous du même avis Ah oui, lorsque vous savez que derrière vous allez rencontrer l'Égypte, euh, six ou sept fois championne d'Afrique, et la Tunisie qui sort d'une très belle canne, je me dis que vraiment ça va être extrêmement difficile. On aurait dû gagner ce match et on était à domicile, mais pour ceux qui étaient au stade, au vu du match, on savait qu'on ne pouvait pas gagner. Mm. la Swaziland était pas largement meilleure que nous, mais ils étaient tactiquement, techniquement et physiquement bien en place que nous. Donc je pense que les 0-0 pour nous était mérité, même si pour eux ils auraient pu avoir euh, plus. Il y avait eu beaucoup de facteurs, mais le problème qui se pose ici, c'est que comment nous qui avions eu deux deux cannes, euh, autant de, d'acquis. Aujourd'hui, mm-hmm. on le perd bêtement comme ça. Aujourd'hui, et après les deux cannes de 2012 et 2013, on se réveille un bon matin et on se rend compte que c'est comme si on n'a jamais commencé à jouer au football. Mhm. Les joueurs le disent, les acteurs aussi le disent, mais malheureusement, rien n'est fait, mhm. tant du côté des acteurs du foot ou du côté des autorités. Nissa, euh, êtes-vous d'avis que cette défaite résulte d'une mauvaise préparation Moi, je considère que si on te gagne déjà, on gagne ou tu fais une défaite chez toi, c'est que les chances sont minces pour que quand tu vas aller chez la personne, tu puisses le vaincre. C'est ça l'enjeu. Maintenant, du point de vue de ce qu'il vient de dire, moi je considère qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Ça commence à émerger et on retombe brutalement. Et on est dans cette situation-là, on ne sait plus comment. Mais normalement, moi j'ai dit, une équipe, ça doit pouvoir tenir pendant dix ans en tout cas une bonne dizaine d'années que au moins que les performances de, de, hmm. malheureusement on constate qu'on commence à acclamer et on est obligé maintenant de croiser les bras parce que tout simplement il n'y a plus de visiteurs, il n'y a pas il a pas de résultats. Et là pour finir. Euh, justement, je pense qu'il faut mettre fin au bricolage. Euh, <laughs> il faut véritablement, non, franchement, ailleurs là où ça marche, c'est que le sport, euh, les enfants, dès leur bas ils sont vraiment, ils ont étudié mm. comme si on peut, c'est leur carrière, quoi. Mm. Donc vraiment, il faudrait qu'on pense vraiment à investir dans ce sens sérieusement. Il faut qu'on porte au sérieux les, choses. Pourquoi aujourd'hui des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, mm. en avance. il va falloir que comme on est en train d'entretenir Alpha vraiment qu'on puisse effectivement commencer à mettre vraiment le paquet au niveau, en tout cas, football. <laughs> C'est comme ça on peut vraiment sortir de <laughs> la date de l'eau. Alors, auditeurs, auditrices du studio Kalangou, nous sommes euh, au terme de ce forum. Nous étions avec euh, Roufaï Dandoua, journaliste indépendant. Merci Roufaï. Nous étions également avec Elhaj Haj Suleiman euh, Mamoudou et Issa Ousseini, journaliste indépendant. Merci de votre participation. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou et bonne rupture de jeûne à ceux qui nous écoutent. thank you